chers téléspectateurs de la télévision Bourg TV. Bienvenue dans votre édition Les Rétro 2018. C'est des euh, reportages des événements qui ont marqué l'année 2018 sur le plan politique, économique, social, culturel et même sportif. L'année 2018, une année qui euh, regorge des événements politiques que nous allons démarrer avec cette édition les événements politiques de l'année 2018. Nous allons parler des présidentielles 2019. Comme vous le savez, le mois d'août était le mois choisi par Benoît Bokriakar pour euh, choisir son candidat son candidat, le président de la République, Macky Sall, euh, une réunion dirigée par euh, Ousmane Tanordien. L'opposition reçoit des financements venant de l'étranger pour déstabiliser le gouvernement de Macky Sall. Maître Omar Youm l'a affirmé à Tchadjaï. Mais aussi, nous allons voir Mali un candidat à la présidentielle 2019 qui était à Bourg en mai 2018 pour déclarer sa candidature, mais aussi parler des problèmes euh, des populations de Mbourg. Mais aussi, nous allons parler du Parti démocratique sénégalais, le PDS, qui exige le départ du ministre de l'Intérieur, à Linguingay. Pour finir, je vais vous parler aussi de la nomination Cheikh Issa Hambourg comme coordonnateur communal du parti APR. Amingom nous retrace les événements politiques qui ont marqué 2018 dans ce compte rendu. En politique, le 12 août 2018, Beno bokia de choisit son candidat Macky Sall lors de la rencontre du dimanche 12 août 2018 à Hambourg. une occasion de restitution des décisions arrêtées au niveau national, selon le secrétaire général national du Parti socialiste et président du Conseil des collectivités territoriales, Ousmane Tanordien, qui a porté la parole du groupe à la sortie d'une réunion de trois tours d'horloge. une rencontre de restitution des décisions arrêtées par euh, Benno Bokayakar national sous la présence euh, du président Macky Alors j'en avais échangé avec euh, mon neveu et ministre directeur de cabinet pour que nous puissions réunir euh, Benno Bokayakar de Mbourg pour les, les sensibiliser sur les enjeux de l'élection présidentielle. Et que politiquement, psychologiquement, ils euh, intègrent la dimension spéciale que ces élections ont sur euh, l'avenir de notre pays. Et euh, écoutez les membres de Beno Bokeyakar pour avoir d'eux ce qui est essentiel, un engagement. Un engagement à ne ménager aucun effort pour que le département de Mbour fasse partie des premiers départements à donner un score remarquable et remarqué à Macky Sall lors de la prochaine élection présidentielle. Toujours dans le rétro politique de 2018, lors de la journée de l'excellence organisée dans sa commune à Tchadjaï, le 16 juillet 2018, Oumarium a formulé de graves accusations contre les opposants au régime. Selon le ministre directeur du cabinet du président de la République et par ailleurs coordinateur départemental Alliance pour la République de Mbourg, l'opposition reçoit des financements de l'étranger pour déstabiliser le pouvoir. Mais je parlerai de la démarche de l'opposition. Moi, je parlerai de la démarche, la démarche fondée sur l'invective, fondée sur la violence, fondée sur la subversion, fondée sur le désarroi, parce que simplement l'opposition n'a pas de, candidat. C'est pour cette raison que tout est mis en œuvre avec des milliards pour déstabiliser le Sénégal, mais seuls les Sénégalais seront les victimes de cette tentative de déstabilisation qui ne réussira pas. Le Sénégal restera debout, les Sénégalais resteront debout pour accompagner le président Macky Sall vers sa réélection. D'où viennent ces financements de milliards pour déstabiliser le Sénégal Il faut leur poser la question. Vous êtes des journalistes, vous, avez parmi vous des journalistes d'investigation. Il y a Qatar, il y a beaucoup de destinations, il faut regarder. je pense qu'il y a lieu de se poser des questions sur cette opposition multimilliardaire qui passe son temps à organiser des opérations de subversion pour les appeler marches, mais en réalité, ce n'est pas des marches. Le 12 mai 2018, Maligakou lance sa candidature et son programme. Lors de son meeting au quartier Diamegendembourg, le président du grand parti n'a pas été tendre avec le régime du président Macky Sall, avant d'ajouter que sa candidature est irréversible pour les élections. Le gouvernement du Sénégal se gagne toujours d'une croissance inclusive. Cette croissance qui amène la pauvreté, cette croissance qui amène la précarité, cette croissance qui amène le sous-développement, nous n'en voulons pas. Nous disons non. Nous disons non à cette croissance. Ce que nous voulons, c'est une croissance inclusive. Celle-là qui apporte le bien-être social, celle-là qui apporte le développement, celle-là qui apporte le bonheur, celle-là qui apporte le développement, celle-là qui apporte le progrès, celle-là qui apporte de l'emploi, celle-là qui protège les femmes, celle-là qui protège les jeunes et celle-là qui crée les conditions du bien-être social de nos populations. Alors, chère population de Mboul, je vous demande solennellement de retirer vos cartes et de vous préparer pour le grand combat. Le PDS exige la démission d'Alingou Le Parti démocratique sénégalais ne veut plus voir Alingou à la tête du ministère de l'Intérieur. Dans une note exploitée par l'AS, les libéraux réclament sa démission après sa déclaration dans l'émission Carte sur table de la 2STV le 27 février 2018. Le 14 avril 2018, Chéri Sassal est désigné coordonnateur de la paire communale de Mbourg. Le président du mouvement Amdem Agir avec Marquis pour le développement d'Ombourg et désigné comme le coordonnateur communal de l'APR. Par son engagement et pour la réélection du président Macky Sall, le leader de Amdem mène une politique de développement dans sa commune. Le choix est consensuel. Que ça vient de notre dernière assemblée générale de l'Alliance pour la République de la commune d'Ombourg. Et hier, un comité restreint tous les leaders qui étaient là ont vraiment entériné ce choix qui est porté sur ma modeste personne pour coordonner l'Alliance pour la République de la commune d'Ombou. C'est un honneur, mais également un sacerdoce, parce que nous savons que l'Alliance pour la République au niveau de la commune d'Ombourg a beaucoup de défis à relever. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous avons réussi ensemble à porter son Excellence le Président de la Macky à la magistrature suprême en 2012. Nous avons eu à gagner toutes les échéances depuis 2012 au niveau de Lors des dernières législatives, nous avons eu quelques problèmes dus à un contexte particulier. Il y avait le choc de stade euh, d'Embediop qui nous a coûté des vies humaines et qui a vraiment causé beaucoup de blessés. Et ce contexte avait poussé beaucoup de leaders a, déclaré vraiment euh, euh, qu'ils ne vont plus euh, continuer, poursuivre la, la, campagne électorale. Et Mbour était sous choc. Le défi actuellement, c'est de remobiliser tous les militants, de remobiliser tous les Mbourois, de leur porter vraiment la bonne parole, c'est-à-dire de les informer sur les différentes et innombrables réalisations du président de la République, depuis son accession à la magistrature suprême. C'était tout pour le rétro-politique du 25 décembre 2018. Merci Amingom. 2018, c'est une année sportive. Un an après, le tram de Demba Diop, Louis Wakam, demande pardon au stade de Mour. Après cela, l'équipe mouroise décide de jouer contre Louis Wakam mais avec une protestation des supporters. Après cela, la Coupe du Monde Russie 2018, une tentative de fuite d'un président de supporters mourois. Il s'agit de M. Alassane Ndiaye. À ce dernier dément toute accusation portée sur sa personne. Nous allons regarder ensemble le compte-rendu de Fatima Bachi. Le 17 juillet 2018, Uzo Wakam demande pardon au stade de Mbour. Un an après le drame de Dembacho qui avait fait huit morts côté Mbourois, Wakam revient sur ce douloureux événement. Supporters, joueurs et responsables racontent la soirée d'horreur. Survenu en finale de la Coupe du Sénégal, un an après, ils regrettent et présentent leurs excuses au stade de Vraiment, on s'est vraiment bien réjouis de l'hospitalité et de l'écoute qu'on a eue euh, de nos, présidents, de nos euh, frères et de Mbourg et de mon frère Salou Sam qui nous a vraiment bien accueillis et qui, ont accepté avec les, familles des victimes toutes nos condoléances. Et vraiment, avec le président Sec, ils ont fait un travail remarquable pour que les deux euh, entités puissent se retrouver et vraiment qu'on tourne définitivement la page sombre de notre histoire. En juin 2018, Ligue 1 sénégalaise, le Stade d'Hambourg décide de jouer contre Uzo. où les supporters protestent. Après les incidents du drame de Demba le Stade d'Hambourg décide de jouer contre Wakam pour garder sa position et ne pas être rétrogradé en division inférieure. Après plusieurs polémiques entre supporters et dirigeants, le président d'honneur du club Mourois, Fallou Silla, essaie de décanter la situation. Non, moi je ne dirais pas assemblée générale. Ça, ce n'est pas une assemblée générale. Il faut que ça soit clair. Assemblée générale, c'est le stade de Mour. Il y a des statuts qui sont là et qui régissent ce problème. Mais là, c'est moi-même, Silla qui avait demandé à rencontrer les membres du Sadebourg, les anciens du Sadebourg, et une partie de la population. Et aussi euh, un peu plus loin avec les, familles des victimes. Donc ça, c'était pour harmoniser. Parce que euh, après notre euh, réunion avec, le président, notre rendez-vous avec le président de la République, le stade de Mbour avait décidé de ne pas jouer avec Wakam. Ça, il faut que ça soit clair. On l'a dit dans les journaux, on l'a dit partout. Bon, des bonnes volontés sont venues me voir pour me dire, que, monsieur le maire, il faut que vous agissiez. Parce que si le stade de Mbour ne joue pas, on va faire des forfaits. Et puis deux forfaits, suivant le, statut de, de, la fédération, deux forfaits, vous êtes retrogradé en division inférieure. Je ne dis pas en deuxième division, mais en division d'honneur. Ça, ça pose un problème. Nous, nous savons que Wakam va en deuxième, en, deuxième division, ça c'est clair, ça a été déjà dit. Mais nous, nous avions des problèmes. Les populations ont dit qu'ils ont pardonné. Mais la justice suit son cours. Ça, il faut que ça soit clair. La justice suit son cours, comme ils ont pardonné. Mais maintenant, si on ne joue pas, mais on, va retarder en, en, en, division inférieure. Mais ça, même ceux qui sont morts ne, ne veulent pas de ça. Parce que ils étaient là pour supporter le Bourg, pour que le gagne. De l'autre côté, le mouvement Bourg Justice déballe contre Salut Samb et affirme que leur équipe n'est pas prête pour jouer contre Uzo Wakam. Finalement, le 7 juin 2018, Stade de Mbourg joue contre Uzo et perd au score de 2 buts à 1. Trois jours plus tard, il est forfait par l'USO de 2 buts à 0. Le stade de Bourg maintient sa place en Ligue Toujours sur l'actualité sportive 2018, le Sénégal était à la Coupe du Monde de la Russie. Des supporters bourrois étaient au rendez-vous de cet événement sportif mondial. Accusé de tentative de fuite, Alassane Diaye, président des supporters de Stade de Bourg, wóor témoin asalaamaaleykum salaamaaleykum waa Sénégal man la Alsane Ndiaye président comité sportif Stade de Mbour waaw dama dégg ay wax yu am Sénégal moo taxoon rek ma ne naa def euh, euh, témoignage bi pour xamal leen ne rek ne ah, bu fekkee dafa am journaliste yi toog foofu di wax ne dafa am supporter Stade de Mbour bu daw li ñuy wax dara amu ci man maa ngi Russie maa ngi Moscou mais bi may ñëw fii dama fi ñëwoon pour business saale parce que dafa am yoo xamante ne dama ko fi indaale woon matériel boobu ma fi indaale woon moo ma fi téye parce que man am naa droit toog ci dëkk bi bala vingt cinq certes gouvernement moo ma indi mais mën naa fi toog bala vingt cinq jënd sama billet ñibbisi am naa ci plein droit parce que sama visa dem na bala vingt cinq maa ngi biir Moscou te bu soobee yàlla damay continuer seetaan match yu des ba final ba incha allahu rabbi daw ma daw ma fenn maa ngi fii di lijjanti sama business sama business bu jeexee incha allah dinaa dagg billet ñëw Sénégal waaw. bu fekke nak dafa am ño xamantene nak ay wax yu ñaaw mo leen taxaju am na yoo xam jaru ko ñëpp ay sénégalais lañ sénégalais nak ñi xamé nañ ko li wax mais grawul li may def ni bo gisé may def ko pour sétal deru stade de Mbour motax makoy def mais du leneen euh, ma leen ni xamal rek na leen euh, sama président salu sam mu ngi fi Russie ak man te li may def avant ma tok wax naa ko ko tàggu naa ko jox ma ndigal ma tok te bu ma ne ma dem tàggu naa ko avalam bamu jox man ndigal pour ma tok gisuma ci nak ben inconvénient parce que maa ngi Moscou biir Moscou laay waxee te bu soobee yàlla di ngeen ma gisaat mbuur léegi incha allahu rabbi. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour d'autres événements qui ont marqué l'année